a été témoin le vendredi 14 juin 2019 de scènes de violence d'État que les Sénégalaises et les Sénégalais croyaient avoir dépassé depuis les événements de 2011 et de 2012. Comme à son habitude, le régime liberticide de Macky Sall s'est encore illustré dans l'étouffement de la démocratie et du libre exercice des droits consacrés par la Constitution. Après avoir arbitrairement interdit le rassemblement pacifique initié par notre plateforme Art de Nouveau pour des motifs inexistants, Macky Sall a mobilisé les forces de l'ordre pour réprimer sévèrement des hommes et des femmes dont le seul tort a été de vouloir exercer le droit de manifester consacré par la Constitution en son article 8. Nonobstant les dispositifs de répression sur et autour de la place de la nation, lieu retenu pour notre rassemblement pacifique, femmes, jeunes, adultes sont massivement sortis pour manifester leurs exigences d'une gouvernance saine et transparente de nos ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz plus particulièrement. Nous, à l'UNUBOC, dénonçons vigoureusement la répression et les dizaines d'arrestations qui s'en sont suivies. Loin de nous avoir impressionnés, cette répression et ces arrestations ont décuplé notre détermination et celle du peuple sénégalais à continuer d'exiger que toute la lumière soit faite sur la gouvernance de nos ressources naturelles. Que ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Ali Oussal soit traité de façon claire par la justice et sans parti Que tous les dossiers relatifs à la gouvernance des ressources naturelles soit transmis à la justice de façon diligente. Les Sénégalais exigent aussi la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et le recouvrement des avoirs de ces mêmes avoirs. Aujourd'hui, Arles est en train de faire tâche d'huile dans les différentes localités du Sénégal et dans la diaspora où des compatriotes s'organisent afin de mener des actions pacifiques pour les mêmes raisons citées ici haut. Nous invitons tous les Sénégalais à prendre toutes les initiatives pacifiques pouvant mener Macky Sall et son gouvernement à se plier à ces exigences. La plateforme Arle Nouveau tient ce face à -face avec la presse aujourd'hui pour informer encore une fois l'opinion nationale et internationale qu'elle a déposé hier, 17 juin 2019, une demande d'autorisation pour organiser un grand rassemblement pacifique le vendredi, ce vendredi 21 juin 2019 à 15h sur le boulevard du Général de Gaulle. Nous tiendrons Macky Sall et son gouvernement pour responsables de tous les dérapages éventuelle découlant d'une interdiction que nous jugeons illégale. Nous appelons tous les régulateurs sociaux, les marabouts et l'Église à raisonner le pouvoir qui, manifestement, ne veut pas que la vérité éclate dans ces dossiers nébuleux liés au pétrole et au gaz. Nous invitons donc tous les Sénégalais à se rendre massivement au boulevard Général de Gaulle avec leur famille, drapeau du Sénégal à la main, afin de nous faire entendre. Lors de ce rassemblement, des déclarations importantes seront faites. Faire à Dakar, le 18 juin 2019. bu mën a jot ci askanu Sénégal alors pour mën a yëkkati kàddu ci li nga xamante ni tey jii lëmbali dëkk bi moom la ñeen ñi sax di wooyee l'affaire Aliou Sall wala ñu jàpp ne le président de la république de tous les sénégalais moom moo ko aati moo parce que keroog bañ jullee ba pare ngeen waykat festival yi ngeen attiré attention ci situation bi bu mu wax ci ay principe dafa ne sama

ñoo woon askan wi góor jigéen mag ak ndaw ñu leen dafa am lu xew ci réew mi boobu ba léegi ñu ngi ñetti at ci ginnaaw ay doomi réew mi ñii ay way politique la ñii société civile lañ bokk yëkkati woon nañ seen kàddu ñii bind bataaxal jébbal ko procureur ne ko coow lii di am ci pétrole bi nga xam ne tout yi mu ca boole sax xëy na bàyyiwuñ ci woon attention dañ bëgg nga leeral ko ñii gis muy traîner di traîner di traîner ba seen benn naataan

te alhamdulilah bañ ko daan def yenn ci jigéen ñi ko doon fekkee daan ngeen gis un candidat bu tudd Macky Sall tey jii lépp lu ñuy wax ci ni ñuy yoree réew mi ci mbirum koom-koom ci mbirum justice ci mbirum jaay doole ci mbirum àqi suñu suñu ay ressources moom bokkoon na ci ñi nga xam ne doon taxaw suñu wet di xeex malheureusement moom moom ak ay service am ñoom ñoo ñëw bëgg faagaagal suñu ay sañ-sañ ndaxte ñaar moo tënk tënk ab citoyen bu njëkk boobu mooy say wareef te ñun suñu wareef mooy doomi réew mi lañ lépp loo xamante ni dafa am aajoo ci réew mi amul benn doomu aadama buy dund fii Sénégal bu ñu ko mën a tere wax suñuy sañ-sañ nag mooy lañu constitution biñ bind lii jébbal ko assemblée nationale mu voté ko jox le président de la république ay sañ-sañam te kenn mënu koo weddi jël suñu juróom benn juróom-ñetti milliards jox ko mu def ci poosam te kenn du ko contrôlé jox ay sañ-sañ yoo xam ne saa ko neexee mu def lu C'est sañ ci article sénégalais à vous la euh, la souveraineté appartient yeen am ngeen millions ça yeen leen ci yar ak ak ci xam leen manifester respecter la chose publique fan ci presque préfet de la ville de Dakar ñu jéppul ko ap ne ko de fas yéene nañ dem ci place de la nation ba nga ne

on a informé l'autorité de la tenue d'une activité suñu ay sañ-sañ la demandé autorisation président nous ne pas que Nous avons dit que nous ñu dem nous avons dit que ay que nous guddi dit que nous avons dit ne nous de la Nous avons place de la nation nous avons bëgg ko nation def fa dispositif répressif boo xam ne mosuñu koo gis suñu histoire ñun jàppoon nañ ne sax xëy na xawoon nañu yu 2011 yi wante bii moo gën a doy waar ñu dégg sax préfet naan demuñu ci place bi. ñu ne quoi maanaam ñu ne joo ñu ngi woon juste à 4 mètres de hmm. toi. ñu étions dans les rues là. puis ñu gis nag lu doy waar. le président de la république waxoon ne yéen ndaw réew mi alal gii jëm ci pétrole bi dama leen kay dencal ngir ëllëg alhamdulilah. ndaw yooyu wane nañ seen bopp nee nañ ko déedéet président lan ñuy dencal xamuñu poson la xamuñu lu ñuy rey la xamuñu lan la dañ bëgg mu leer tey tey tey ñu xam lan la ndaxte ndaw yoo xam ne liggéeyu ndaw yoo xam ne lekkuñu ndaw yoo xam ne naanuñu ndaw yoo xam ne ñi ngi ci insécurité nga war a defar seen avenir ñuy dégg ne ñaar ak ñett luubal nañ ay junniy junniy milliards suñu alal ñooñu génn nañ ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëm di gërëm Sénégalais yëpp

faraluñu opposition faraluñu pouvoir nous sommes des citoyens sénégalais libres li nit ñi bañ di insulter l'intelligence des sénégalais mu ñaar ak ñett ñoo xam ne ils sont soucieux du devenir du pays jugee waxtaan ne dañuy def ñuy wër di di di di sos naan dañ leen di manipuler ñoom ñooñu la waa BBC manipuler ñoom ñooñu ñu toog presque quatre ans ñu leen di laaj waxuñu ab tubaab bu jigéen fële ni ngeen koy waxee di wax rek ñuy tëb di dal di yuuxu alors que plainte explicite mi ngi ci kaw table procureur bu buggee lu mu liggéey il a de la matière à travailler parce que rapport IGE mi ngi fa OFNAC mi ngi fa des témoins comme Nafi Ngom Keïta mi ngi fa na leen laaj donc complexe boobu moo dëñ ba tax na li ñu tax a jug ba gannaaw bi ñu leen ne kenn moomuñu parce que nee nañ fii à luñ bokk bu ñu demee ba leen la ci enquête bi Abdourahmane Sow mii dekete dafa takk waa à luñ bokk luñ ko faral Abdourahmane demal yoon àttel ñun loolu moo ñu tax a jug muy un autre droit consacré par la Constitution du Sénégal. Et là, nous disons même merci au président de la République parce que mon profit du 2016, bon, leen constitution dafa les ressources naturelles appartiennent à l'État mais même ko soit dañu les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais ñun suñu souveraineté nous ko donc droit la boo xamante ni lépp loo xam ne ñi ngi ko ciy def donte artu woon nañ balaa ñuy arte wala di jub tey jii dañ ciy gën a taxaw ceeb pour mu leer

Nous bëgg mu am lu leer ba tax suñu justice Sénégal Nous ngi leen di surveiller nañu interpeller tous les acteurs yi peuvent contribuer à la manifestation de la vérité cependant nous ñu nangu ñuy def parti pris gis nañ procureur di jéem a xoqatal naan jàkk appel à candidature on vous rappelle monsieur le procureur que vous disposez d'assez d'éléments de matière pour faire ce travail olof ak

si suñu suñu ay suñu ay koom-koom liñ koy gérer woo nañ IDE IDE génn na désavoué leen ne leen ba ngeen di signé contrat yi terminé ngeen wax ñu fii loi bu bees fast track pour affaire yi gaaw ñu ne leen fast track ñëw na jour bi Thierno Alassane Sall ba ñuy signé Boun Abdallah Dionne signé boobu la ñu fast track Sénégal yi di nelaw parce que boobu respecté wuñu principe yi premier ministre daw na gaaw le ministre doon bañ pour transparence mu def ko donc ñu ne dañ bëgg contrat yi si toutefois dafa léser l'intérêt des Sénégalais nañ ko négocier ba ca des mooy déggoon na fii collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaz yi kooku ñu ngi ko teg en 2016 pour vous dire que ni ba ñuy xeex xeex bi yàgg na waaye politique yeeg société civile ñëpp ñu ngi ci woon ñu ne bu dee dafa am un franc wala seen suuf benn pécule bu rop suñu alal génn réew mi dañ bëgg mu dellu si

aar yi ñu bokk ak ñi ko composé ñi ngi yëkkatiwaat kat parce que ñoom gis nañ ne xokkatal bi ñuy def taxu ñoo ragal tey dañ ñu gën a rëbikoore tey dañ ñu gën a jox sañ-sañ parce que foowu ñu ñoom bu dee dañuy foow foowu ñu te kenn defloowu ñu ñun ñoo am suñu sañ-sañ ñu am sañ-sañ nag da ngay am fit dañ koy ñeme ñu nga yëkkatiwaat kat ci kàttanu yàlla di woo Sénégal yëpp fu ñu mën di bàyyeekoo góor jigéen mag ak ndaw nañ ñu fekki siwaat ak ji ma jii di ñëw ci kàttanu yàlla euh,

ci yar nag ak teggin parce que xam nañ suñu ay sañ-sañ mais xam nañ suñu ay wareef dañoo bëgg ku sàmm alalu réew mi dañoo bëgg ku respecter la chose publique tojuñu lakkuñu taaluñu wante nag ku néew doole da ngay bëri pexe lépp lu ñu mën a def ci kàttanu yàlla ci jàmm dinañ ko def pour suñu ay sañ-sañ ñu tenir ko ñu ngi lancer appel à l'occasion un soutien en même temps à l'endroit de notre camarade mingi ngi Lamine Gueye Ndiaye bokk ci euh, mouvement FRAPP caricaturé woon nañu actuellement mi ngi mi ngi en procès waaw caricaturé woon nañ fii pour am am am tour ñuy suñu yonent le président de la république danaa def presque quatre mille kilomètres pour dem France di ànd ak ñiy jooy di soutenir ñu mujj jox ñoo ñu dëgg ñi caricaturé dem di soutenir di soutenir France Hebdo le président de la république de bu président africain Charles Hebdo waouh, léegi yow nga ni caricaturer le prophète de l'islam je vais soutenir ni nga ko caricaturer waaw à caricaturer un simple citoyen sénégalais à moins que ça soit la euh, euh, en tout cas patrimonialisation du peuple. koy wax ko caricaturer dañ koy tëj moo tax ñu il ña fay toogal un fii moo ñoo far ci église wala ñu far ci ci diineen islam wala nekk fu ñu mënti ne di ay leader d'opinion yàlla na leen yàlla di dimbali ñuy mën a ràññee luy dëgg te di ci teg seen kàddu di ko ci yëkkati ñu ne askan nangul leen seen président bu leen ko xarab bu leen ko xeeb wante yàlla nee na ci kaw mu nekk président bu maan président bu nekk ci dëgg président bu jub président bu am yéen wante yéen askan bi xeexaleen seen président bu dee gis nañ président boobu tëddeewul njaaxaanaay président boobu dafay jaay doole président boobu nekkul ci santaan ay charte yi nga xam ne moo ko tënk donc ñu ngi koy jeexal fii ci gàttal doon leen fàttali ni que incha allahu rabbi c' est l' information àdduna bii di ñëw ci kattanu yàlla dinañ dem à partir de 15 heures aar mi ñu bokk woote na di woo askan wi yëpp nañu indi drapeau ñëw ci jàmm ak salaam ci yan ak ci teggin ci jàmm ñu fa nekk manifester suñuy sañ-sañ pour que li ñu doon li ñuy laaj incha allah bu baax sant nañu soobee muy la transparence effectivement dans ce dossier, euh, nous avons mis le nom de l'air de ne même pas par contre, c'est un petit de Je vous remercie. et que c'est, il s'agit pour eux de prendre part à l'action citoyenne. Bon, on comprend que vous avez toujours envie de voir des leaders venir. Que les leaders viennent à 17h, qu'ils viennent à 19h ou qu'ils ne viennent pas, rien ne changera la détermination. Parce que quand cette plateforme était créée, aucun leader n'était Et dans ce cadre de concertation, ils ont tous des représentants. Et quand nous menons des actions, ils sont tous là pour nous apporter leurs idées et leurs ressources. Et quand il y a des personnes qui sont incarcérées, ils sont encore là pour venir soutenir judiciairement, euh, au niveau de la logistique, toutes les personnes qui, ont, qui, qui sont arrêtées. Donc ces leaders sont là. fait banal, c'est que il est libre de le faire, mais je pense que ce ne doit pas être un fin observateur, il doit être plutôt dans les bureaux. je le taquine. Non, non, je pas dit C'est pour dire que, effectivement, les citoyens sont sortis massivement. Les jeunes sont sortis, et surtout malgré l'interdiction. Parce que ce n'est pas évident dans un pays, où, euh, quand il y a une manifestation, on sort des dragons, on, les, on va chercher les GMI, les rues sont cadrées, euh, il y a plus de renseignements généraux en haillons que de gens en tenue. Nous les avons vus et certains même ont été arrêtés et se sont retrouvés dans les cellules comme nous, en faisant semblant d'être des gens qui, sont là. On se demande est-ce que c'est pas eux qui, poussent à ce qu'il y ait des actes de malveillance euh, de, détérioration du bien public. Donc, euh, les citoyens ont, ont, répondu présent. Ceux qui étaient là, les télévisions, vous pouvez revoir toutes les images si vous les avez perdues sur YouTube. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. Alors, quant, au télescopage avec le rendez-vous de la CAD, effectivement, nous pensons que les citoyens, comme l'a dit absolument tout à l'heure, euh, ont plusieurs agendas ils ont les agendas des loisirs, ils ont les agendas professionnels, les agendas privés, mais aussi les agendas de la revendication et de, de, l'associatif. Tout ça vit ensemble. Est-ce qu'on peut accepter que dans un scandale où on parle de 6 000 milliards qui sont partis, on ne sait où, on ne sait pas est-ce qu'on va les récupérer ou pas Des contrats qui ont été euh, mal négociés et où on se, où on se retrouve lésés. Euh, une clé de répartition qui aujourd'hui ne donne que 10% à 7 à un moment où on savait pertinemment que ces gisements allaient produire quelque chose. Allaient produire quelque chose. Parce qu'avant, c'était admissible. Pourquoi n'ont-on pas remis un code pétrolier favorable avant de faire ces contrats Si tant est que ce sont des experts en pétrole qui nous gouvernent. On se pose la question. Non, nous estimons que ce sont les mêmes personnes qui, à un moment donné, portent une revendication, portent la parole de, cette demande de C'est une partie de ces gens, ou voire plus, on espère beaucoup plus de gens, qui viendra soutenir l'équipe du Sénégal et qui viendra dans la fan zone. Et nous nous sommes déplacés pour aller ailleurs, à, un autre créneau horaire suffisamment loin. Et nous pensons que, vu l'armada dont s'est doté le ministère de l'Intérieur, ils ont de quoi assurer la sécurité d'un rassemblement pacifique, d'un rassemblement pacifique et non d'une marche à une certaine heure, que ça finisse à, une heure bien donnée, que l'endroit soit complètement nettoyé pour qu'il aille chercher des gens qui vont porter des tenues et applaudir. Nous pensons que le Sénégal est capable quand même de faire front parce que nous avons des défis de sécurité beaucoup plus élevés que ça. Et nous espérons qu'ils seront à la Je vais laisser. Voilà. Voilà. Euh, exactement. Quant à l'absence de membres pour aller très vite, comme Aliou Sané, beaucoup d'autres, parce qu'on l'a cité, et euh, ce ne sont que des problèmes d'agenda personnel ce matin. Mais tout le monde était là hier, juste, tout le monde était là jusqu'à 2h du matin. Et si vous regardez les flux pour élaborer tout ça, euh, jusqu'à présent, ils sont en train d'envoyer des inputs. Il ne manque pas un seul membre. Au faire, on, a, on, constate des adhésions supplémentaires qui viennent d'un peu partout pour soutenir le mouvement. Je vais laisser... Voilà, d'autres aussi sont au tribunal pour soutenir euh, le camarade de frappe qui est dans le procès à lieu aujourd'hui. Voilà, euh, notamment les Marius Sagna, tout le collectif.